mois, vendredi 22 septembre 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et ce avec des confrères des médias de Niamey. Dans ce numéro, nous allons tout d'abord parler de la question de l'Alliance des États du Sahel créée cette semaine par le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ainsi que la décision du Parlement le monde de transition du Burkina Faso d'envoyer un contingent militaire au Niger. Ensuite, il sera question du retour au Niger de l'opposant Hamamadou après plus de deux ans passés en France. Enfin, il sera question de l'intégration de l'Union africaine dans le G20, une organisation qui rassemble les plus grandes économies développées et émergentes de la planète. Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Maimouna Djadou et les journalistes indépendants. Bonsoir Maimouna. Bonsoir Monsieur. Abba Arimi, journaliste à la radio Alternative. Bonsoir. Bonsoir. Et Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir à vous. Bonsoir Je suis Nafissa Adam Sirfou à la modération. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir à chez vous. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont, à travers une charte dite du Liptako Gourma, décidé de créer une alliance des États du Sahel. À travers cette alliance, les États contractants réaffirment leur attachement à la légalité internationale et régionale, consacrée notamment par la charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine et le traité revisé de la CDAO. Alors je commence par par vous, Ousseini Issa, vous êtes journaliste indépendant. Que pensez-vous de la création de cette alliance oh, eh, moi je pense que la création de cette alliance, euh, c'est quand même euh, une bonne chose. Mhm. Une bonne chose en ce sens que, en réalité, le Liptako Gourma dont on parle, mhm. le vieux Kaziende l'a dit, qui a été ministre le Liptako Gourma, c'est cette zone qui regroupe le, Burkina, le, Niger, le Mali, mhm. mais ça va au-delà. Et c'est une zone qui était très riche, n'est-ce pas Bien avant que, comme on avait dit, comment euh, ce découpage de mhm. l'Afrique et tout et tout. Et c'est des peuples qui vivaient ensemble, qui partageaient pratiquement tout ensemble. Mhm. Maintenant, il a prédit que ça allait revenir. Parce qu'on parle de l'Iptago gourmand mais avant de créer cette alliance-là, les Blancs sont venus dire c'est la zone des trois frontières. Mm. Quelle zone des trois frontières C'est les mêmes populations, c'est les mêmes modes de vie, c'est les mêmes préoccupations. Ils ont décidé de créer ils ça. Vivent la même ils, ont la même insécurité qu'on a transposée, qu'on a créée délibérément, parce que c'est une zone aussi très riche, il faut le dire. Mm-hmm. Il fallait créer cette insécurité. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs la richesse de cette zone Mais c'est une zone dont le sous-sol regorge pratiquement de toutes les ressources mhm. dont l'Occident a besoin aujourd'hui pour pouvoir se développer. Il y a l'or, il y a l'uranium, le, de lithium. il y a, bien, sûr, il y a tout, pratiquement tout dans cette zone-là. Mhm, mhm. Et quand face à l'adversité, parce qu'on est confronté à une adversité, ça veut dire le terrorisme qu'on a fabriqué dans nos pays, il fallait que ces chefs d'État-là se retrouvent. Pour que les chefs d'État se retrouvent, il fallait qu'il y ait ces coups d'État dans ces différents pays. Mmh, mmh. Et pour voir un peu l'attitude de la France qui est derrière tout ce qu'on a pu connaître, et c'est devant ce constat-là mmh. qu'ils ont décidé de mettre en place cette, euh, cette organisation-là, qui va s'étendre. Hein. Ce n'est pas une organisation qui est fermée, mhm. parce que ça Elle doit donc euh, aux comporte ça comporte jusqu'à pratiquement, comment on appelle, comment, le parc du W, mhm. jusqu'au Bénin. Mhm. Est-ce que vous comprenez Ça veut dire que c'est pas, un vaste ensemble. Et c'est dans là, il fallait créer aussi les blancs. ils ont tenté l'Azawad et tout et tout, la création de l'État de l'Azawad et tout et tout, pour, lesquels, pour laquelle des gens s'agitent au Mali. Moi, je dis c'est une bonne chose. Ça montre que les gens après plus de 100 ans d'indépendance, les gens ont décidé de revenir à la raison et de regarder dans la même vision. Et la création de cette alliance-là va permettre aux pays de ces différents pays et aux populations de ces différents pays de regarder dans la même direction. Y compris, je n'exclus pas le Bénin. Le Bénin va rejoindre parce que le Bargou fait partie. Mais avec cette situation, est-ce que euh, le Bénin va vraiment rejoindre cette alliance C'est un <laughs> président, c'est un président qui s'agite contre le Niger. Ce n'est pas le Bénin, le peuple béninois avec les Niger. le Bénin avec le Niger. Aujourd'hui, les Béninois souffrent autant que nous, sinon mhm. plus que nous, mhm. par rapport à cette décision et comment dire criminelle, ce comportement irresponsable de leur président mhm. Talon, n'est-ce pas Parce qu'ils considèrent que c'est pas quelqu'un qui va vous dicter comment vous devez vous, tenir vis-à-vis d'un voisin, vis-à-vis d'un frère. Mm, mm, mm. Aujourd'hui, les populations, le peuple béninois n'est pas d'accord. Et ils sont en train de se mobiliser pour dire à Talon non. On ne peut pas continuer. Mais Mounidjado, quels sont les autres enjeux selon vous de cette alliance créée par les trois pays, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso les, les, enjeux, c'est d'abord euh, sécuritaire, mm-hmm. puisque ça a été créé dans ce cadre sécuriser la zone, sécuriser ces populations pour que ces populations puissent vaquer à leurs euh, préoccupations et mm-hmm. occupations mm-hmm. Euh, majeures et également euh, exploiter, pourquoi pas, le sous-sol euh, de ce liptako gourma, mm, la richesse euh, dont, la richesse dont oui, oui, Hussein vient de parler, pour que ça soit utile à ces populations-là. Mm. Donc, euh, de l'autre côté, comme il l'a dit, ça s'étend, c'est pas seulement Niger, le Burkina Faso et le Mali. Mm. et mais je pense que en créant cette synergie, ça va pouvoir un peu euh, stabilisé euh, totalement avant d'aller totalement faire euh, face donc à, à, à l'ennemi. Et ils auront également besoin certainement de l'aide de certains pays comme mhm. par exemple l'Algérie. L'Algérie pourrait aussi les appuyer dans cette décision mhm. de, ces trois, de ces trois pays. Mhm. maintenant, c'est vraiment, ils vont s'atteler à ça parce que c'est ça qu'ils vont, ils vont essayer de faire. Ils vont essayer de s'atteler à ça. Et déjà, vous avez vu comment est-ce qu'aujourd'hui, avec euh, euh, l'escorte euh, de Burkina Faso mhm. pour permettre mhm, mhm. que les vivres puissent être, acheminés ici au Niger. Et ça sera la même chose, ça sera dans cette continuité. Autant que dureront les sanctions prises euh, par la, CDAO à l'endroit du Niger, mm-hmm. autant de fois l'armée euh, burkinabé, malien feront le nécessaire, en tout cas pour pouvoir épauler le Niger et faire face à, ces, problèmes. Arimi, selon vous, comment cette alliance euh, va fonctionner Vous savez, ces questions, quoi qu'on dise, en fait, c'est une question de volonté mhm. des hommes, mhm. et surtout des hommes euh, chargés euh, de d'animer ce genre de, structure. Mhm. Là, pour l'instant, on a affaire euh, à des membres fondateurs, je dirais, n'est-ce pas, les trois présidents notamment, les ministres des Affaires étrangères et tout. Et donc, ça ne peut pas n'est pas bien fonctionné. Mhm, mhm. Maintenant, euh, on dit que c'est inspiré des textes de la CDAO, mhm, des textes de euh, la Charte des, euh, Nations, Unies. de la Charte de l'Union africaine. Eh bien, euh, il faut vraiment mettre des choses concrètes. la question de la libre circulation des personnes et des biens, c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, c'est pour les autorités euh, c'est pour les dirigeants que ces frontières existent en mm-hmm, réalité. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, pour la population, euh, elles n'existent pas. Même là où c'est voulu aujourd'hui, comme la frontière avec le Bénin, vous vous rendrez compte que la population n'y est pour rien. Et donc, c'est permettre vraiment avoir de telles alliances, c'est permettre à des peuples d'une même population, à une même population, de jouir mhm. concrètement de, de, son environnement, de son espace. Mhm. Et donc, je dirais que c'est une très bonne chose. Mhm. Euh, Et donc, vous êtes euh, optimiste quant à l'efficacité de cette alliance Normalement. Vous savez, euh, l'a euh, évoqué tantôt, c'est la question des frontières imaginaires imposées par le colonisateur, hmm, hmm, hmm. n'est-ce pas, dont l'un euh, est en train de tout faire aujourd'hui pour nous créer euh, des problèmes. Euh, sinon, le, à un moment de l'histoire, même le colon était obligé de diviser le Burkina Faso en deux, de d'allier une partie à la Côte d'Ivoire et une partie est oh. revenue au Niger. Il y a des moments où Dori, par exemple, faisait partie carrément du Niger. et donc, ce n'est vraiment pas une invention ce n'est pas une alliance euh, forcée, mm. c'est quelque chose qui existe déjà et qu'on a entériné. Mm. Que ceux qui vont venir ne trouvent pas que c'est une alliance de plus, mm-hmm. n'est-ce pas Parce que euh, nous faisons face à, des, à trois transitions dans les trois pays. Dans les trois pays, oui. et, aussi, l'histoire a démontré quand même que c'est pendant ces périodes de transition que des décisions souvent très importantes sont, prises. Mais ce que ceux qui viennent, n'est-ce pas, vraiment continue une telle alliance, mhm. n'est-ce pas Qu'un Nigérien aille au Burkina Faso, qu'il se naturellement, on se sent chez nous, hein. Mm-hmm, mm-hmm. mais euh, le policier que tu vas rencontrer sur la route, le douanier que tu vas rencontrer, l'autorité que tu vas rencontrer, souvent on te demande même de l'argent, mm-hmm. n'est-ce pas euh, Même quand tu exhibes ta carte, que tu viens du Niger ou que tu viens inversement du Burkina Faso ou du Mali, on te demande de l'argent, par exemple. Donc la question de la libre circulation, c'est extrêmement important. Il s'agit du même peuple de part et d'autre de nos frontières, nous mm. avons euh, les mêmes, oui, les voilà. mêmes réalités. Et c'est ce qui rend extrêmement difficile leur décision de fermer ces frontières-là, d'empêcher à la nourriture, aux médicaments de rentrer. Heureusement d'ailleurs. Justement, dans le même ordre d'idée, le Parlement de transition du Burkina Faso a autorisé mardi 11 septembre l'envoi d'un contingent militaire au Niger face à la menace d'intervention militaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour rétablir ils disent, euh, l'ordre constitutionnel. Le projet de loi portant autorisation de cet envoi a été voté à l'unanimité des 111 membres euh, du Parlement burkinabé. Euh, alors, c'est un autre plus, au Issa. Comme je viens de le dire, parce mhm. que moi j'ai dit, quand il faut faire l'histoire, mhm. quand on fait mhm. l'histoire, on comprend que ces peuples-là étaient les mêmes pratiquement pratiquement, au-delà jusqu'à au-delà de la Mokani, jusqu'à c'est des peuples conquérants qui sont restés ensemble. C'était des vastes ensembles qui étaient là bien avant l'arrivée du colon, qui ont combattu, y compris les blancs, qui mm. sont allés jusqu'en Espagne à mm. travers les, grands conquérants. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où le Niger est menacé et mm-hmm. que le Burkina, ils ont été déjà très clairs mm-hmm. dès le départ. Dès le départ, ils ont été clairs. Si d'aventure le Niger a agressé de manière illégale, ils, vont amener, ils, vont, ils se sentiront eux aussi agressés, n'est-ce pas mhm, mhm. et, ils sont en train de mettre ça en pratique. Le fait de déployer des forces pour dire, bon voilà, c'est un contingent, mhm. mais c'est un contingent qui va être là, qui va travailler en synergie avec l'armée nigérienne par rapport à toutes ces menaces-là au niveau de la frontière avec le Bénin et un peu de l'autre côté. Mais ça n'empêche que quand effectivement la menace va se préciser, ce je suis, ils vont mettre les moyens logistiques mm, mm, mm, aussi de leur côté pour pouvoir intervenir. Ce n'est que comme avait dit, une bonne, une bonne chose. Moi, ça ne me surprend pas en <laughs> soi que les Mali et le Burkina se comportent de la sorte. Ils ont compris et ils n'ont jamais suivi. Ah, ils n'ont jamais, ils n'ont jamais suivi. Ils n'ont jamais suivi. Regardez comment le régime, les membres du régime dessus, mm-hmm. se sont, comme avait dit, se sont, se sont euh, télé, à les dénigrer, à les mhm. insulter. N'est-ce pas Aujourd'hui, à les dénigrer, à les insulter de manière systématique, sans même que chaque fois, c'est eux-mêmes qui prennent un peu, qui, qui sont mhm. porte-parole de la mhm. France, de la CDAO, alors que nous, nous sommes voisins et nous partageons pratiquement tout. Aujourd'hui, ils sont en train de nous montrer que, comme ça, le voisinage les mhm. relations de fraternité. Mhm. C'est comme ça, ça doit s'exprimer. Ce n'est pas, ce n'est pas une affaire de, vouloir s'aligner de manière aveugle <laughs> derrière une institution, une organisation qui est elle-même manipulée parce que la CEDAW est manipulée. Tout le monde en est conscient. Et notez, oui, oui, même là. Les hommes passent, mhm. l'histoire reste. voilà. C'est-à-dire que l'histoire, là, comme on le veut, l'histoire est toujours là, elle est permanente, mhm. <laughs> elle ne change pas. Ils ont, ils ont, précisé que la durée de la mission sera de trois mois renouvelable à compter soit de la date effective d'envoi ou de la date du début de l'intervention de la CDAO. Un tour de table, peut-être un mot, Mémouna, sur cette mission euh, envoyée qui sera envoyée au Niger Bon, la mission qui sera envoyée au Niger, je ne peux que rejoindre ce que Hussein vient de dire. C'est déjà exceptionnel qu'entre mhm. que entre frères burkinabés, qu'on puisse s'épauler, qu'on puisse mhm. s'aider. Et, vous avez vu la réaction des Nigériens quand c'était le tour du Burkina Faso, mhm. d'être euh, en tout cas euh, agressé par la CDAO avec euh, toutes ces, mesures mhm. drastiques, vous avez vu les populations, mhm. même si les dirigeants d'avant ne voulaient pas exprimer en tout cas mhm. leur consentement pour pouvoir aider le Burkina Faso à faire face à ces, décisions, les populations en tout cas du Niger étaient prêtes à les aider, quelle qu'en soit, quel, quel soit donc euh, la, situation. Donc ça veut dire que c'est un retour un retour oh, positif. Oui, oui, un retour positif. Parce que là où tu tends la main, on te tend la main, il faut mhm. aller vers là où on te tend la mhm. main. Mhm. Et aujourd'hui, le Burkina était déjà, <laughs> le, le président était le premier à sortir pour manifester, en tout cas, son accord d'épauler le Niger. Au, le jour du coup d'État, il était déjà d'accord pour ce coup d'État-là, mhm. parce qu'il voulait voir un peuple libéré, un changement au Niger, puisque le Niger était dans une situation que lui-même, <laughs> en tant que président de l'autre côté, observait, mais n'avait pas ce pouvoir de dire aux Nigériens, mhm. mais qu'est-ce que vous attendez pour aller vers le changement Aujourd'hui, nous sommes des frères, comme l'a dit Ousseini. Mhm. Les frontières, qu'on le dise ou non, c'est les colons qui ont tracé les frontières. Mais si je pars au Burkina, je me sens chez moi. Et quand un Burkinabé se trouve ici au Niger, il se sent chez lui. C'est la même chose pour le Mali aussi. Un mot pour cette solidarité vraiment du Burkina Faso En fait, ce qui doit être euh, de tout temps, normalement, hmm. euh, parce que euh, à la création de l'OIA, normalement, la tendance était de tendre vers une euh, union euh, africaine mhm. en général mhm. d'ailleurs. Mhm. Et plusieurs organisations ont été euh, mises en place, mais l'histoire a démontré que le colonisateur a toujours été derrière ces organisations et ceux qui ont essayé de créer des organisations parallèles, souvent en ont payé de leur vie. Donc ce qui fait que c'est ce qui doit être le Niger agressé ou le Burkina agressé, le Mali, n'est-ce pas Et d'ailleurs, tous les autres voisins, normalement, c'est ce qui doit l'être. Mm, mm, mm. On doit être en mesure de réagir. C'est ton frère qu'on attaque, c'est ton voisin qu'on mm-hmm. attaque. Mm-hmm. Tu dois être parmi ceux qui essaient de défendre. Pays. ce n'est pas le cas parce que ils ne sont, ce n'est pas l'aspiration de leur peuple. Ce qui rend même cette crise-là euh, supportable, n'est-ce pas Que ce soit au Nigeria, que ce soit au Bénin, en réalité, on suit tous les jours la réaction mhm. euh, des, des, citoyens de ces pays-là, mhm, mhm. qui n'ont rien à voir avec ceux qui se prétendent dirigeants, n'est-ce pas Les dirigeants sont en train de dire sur des radios internationales. Donc c'est en cela que... Euh, ce que les Burkinabés ont fait, ce que les Maliens sont en train de faire, c'est cela que doit être la réaction, parce qu'on doit se sentir comme un seul homme, comme des gens qui ont la même histoire, mhm. qui ont vraiment euh, le sens de la fraternité mhm. africaine, mais de la fraternité vraiment tout court. Parce qu'on ne peut pas, on est inséparable. Imaginez ce qu'aujourd'hui aujourd'hui les dirigeants euh, béninois sont en train de faire. Mhm. Euh, s'attendent-ils à ce que des Nigériens envahissent un jour vraiment une partie du. Est-ce que est-ce que on, pas raisonnable oh, voilà donc sincèrement c'est de <laughs> tout ça là qu'il s'agit. Mhm. Moi à mon avis euh, le, la, la, fraternité entre, nos peuples n'est-ce pas doivent être mhm. de mise. Mhm. il, y a, il, y a, des pays il y a des villages dans nos tout, autour de nous que ce soit avec le Nigeria le Bénin le Burkina. Faso ou dans un village, n'est-ce pas C'est une rue d'un village qui constitue la frontière, n'est-ce pas Les champs des uns et des autres sont <laughs> situés de part et d'autre de la frontière, n'est-ce pas le même peuple, le... Voilà, les villageois, eux, ne savent même pas parfois. Mm. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Certains villages du Burkina, c'est récemment, mm qu'il euh, y a eu un arbitrage, mm-hmm. n'est-ce pas Et on a demandé à la population, bon, celui qui accepte d'être nigérien, à partir de cet instant, il est nigérien, et ainsi de mm-hmm. suite. En que gros, Dieu nous montre le jour où toutes ces frontières n'existeraient pas. En gros, cet engagement, cette solidarité de ces pays est à saluer à l'unanimité. En réalité, en réalité Nafisa, oui, rapidement pour ce sujet. C'est que l'État est en train de donner, mm-hmm. comment des raisons à ce qu'on a vécu, où nos arrière-grands-parents ont vécu. ça dit que les Blancs sont venus, ils ont fait ce qu'ils faisaient, mais avec le temps, mhm. on est en train de reconstituer ce qu'on avait perdu. On espère vraiment que ça soit reconstruit pour le bonheur de tout ça. Nous passons au second sujet du forum de la presse de ce vendredi. L'autorité morale du Modenfa Lumana Hamamadou est arrivée mardi 12 septembre à Niamey. Hamamadou séjournait en France pour raison de santé après sa condamnation au sortir des manifestations de contestation des résultats de l'élection présidentielle de février 2021. Alors, je reste toujours avec vous, Ousseini Issa. Selon vous, qu'est-ce qui a rendu possible le retour de Hamamadou ici au Niger C'est un écrit de politique, hein, le changement de système. Il est revenu parce que ceux qui l'emmerdent, ils sont plus au pouvoir, ils sont dessus. Est-ce que c'est sur euh, décision Est-ce que c'est comme ça Il s'est levé un bout Non, mais, ce n'est pas. Avant ça, il dit, parce qu'il y a eu une intervention qu'il mhm. a eu à faire, je ne sais pas, c'est un euh, entretien, il dit, si on l'autorise, il va, ah, revenir. Mais il n'a pas cette décision-là. Il ne mhm. va, pas violer parce qu'il est dans une situation indélicate. La mhm. situation a rien changé. Certainement, ils lui ont dit, bon, il peut rentrer sans problème. Il l'a dit. Et bien avant son arrivée, le premier ministre de la transition, Lamine Zen, a dit Mais il n'y a pas de raison à ceux qui ne viennent pas pour. Moi, je me dis qu'il a eu suffisamment de garanties pour revenir parce que les menaces se sont dissipées, mhm, mhm. n'est-ce pas Alors, à partir du moment où il n'y a plus de menaces, c'est tout à fait normal qu'il rentre chez lui parce que qui veut vivre en exil Aujourd'hui, même ceux-là qui se sont condamnés à l'exil, eux-mêmes, ils ne savent pas où mettre de la tête parce que ce n'est euh, pas l'exil, mhm. quels que soient les moyens dont tu disposes, c'est ce n'est pas une vie a toujours besoin de revenir chez toi. Il est revenu parce qu'il a eu les garanties nécessaires qu'en mm. en rentrant, on ne va pas l'accueillir comme ça a été le cas en 2014 où on a de l'aéroport directement. Alors, il est revenu parce que tout simplement c'est un citoyen. Il est revenu parce que tout simplement il considère que c'est pas qu'il est en train de fuir la justice de son pays, mm-hmm. c'est parce que tout simplement il est en train de fuir un harcèlement mm-hmm des gens qui sont au pouvoir et qui ont considéré qu'ils ont le droit de vie et de mort sur des adversaires politiques, au point même de les empêcher d'être dans l'arène. Aujourd'hui, la situation a changé, c'est normal qu'ils reviennent. Oui, justement, le 14 même, euh, il a obtenu une liberté provisoire de euh, dans l'affaire des troubles. Oui, mais euh. quand on regarde quels troubles quand on regarde, non, mais non, moi je veux dire, il faut le dire, moi je l'ai dit, pas aujourd'hui. les troubles post-électoraux Non, quels troubles post-électoraux Il y a eu des manifestations et tout après les élections et on est parti écouter des interventions qu'ils ont eu à faire mm. pour dire, il ne faut pas vous laisser voler. Mais où est le problème dedans Mais paradoxalement, dans l'autre cas, il y a des gens même qui ont enlevé. Il y, avait des gens qui avaient enlevé des armes pour dire Qu'il était poursuivi injustement ou quoi Non, mais moi, je vais dire quelque part, c'est que quand on regarde les choses, c'est qu'il fallait le mettre au frais avec euh, d'autres personnes, notamment le général Changa et tout et tout. Mhm. Il fallait les mettre au frais parce qu'en étant dehors, on considère qu'ils constituent une menace. Aujourd'hui, cette menace, ou ceux-là qui les considèrent comme étant une menace, ils sont plus là. Alors, pourquoi n'est pas, pourquoi n'est pas des, des de, crisper un peu la situation parce mhm. qu'on ne peut pas faire la fixation sur des acteurs politiques. Moi, j'ai dit, ça n'a aucun sens. C'est inadmissible en démocratie. Mhm, mhm. On est dans un système où c'est un peu ce qui se passe dans d'autres pays comme le Bénin, comme le Sénégal, où on pense que l'adversaire qui dérange, il faut coûte que coûte le détruire. C'est cette situation qu'il a vécu lui, Hamma mais également d'autres acteurs politiques qui étaient un peu dérangeants pour le système. Et on utilise, on instrumentalise la justice pour arriver à ce genre de choses-là. Arimi, alors quelle est votre analyse de ce retour euh, de l'opposant mamadou au Niger après des années passées C'est un homme politique euh, des plus connus, des, parmi les plus importants euh, de ce pays, hum, hum, hum. et qui revient au bercail. N'est-ce pas Il a connu vraiment des déboires, n'est-ce pas Des difficultés indescriptibles, parce qu'il est à son deuxième séjour d'exil en France, et partout un peu dans la sous-région parce que parfois il serait au Bénin, il serait au Ghana, ainsi de suite, au Burkina. En tout cas, il ne peut pas rentrer dans son propre euh, pays. Et donc j'ai écouté euh, les interviews ou les entretiens qu'il a accordés avant de revenir, mhm. justement, il, a manifesté que, justement sa volonté de, revenir. Mhm, mhm, Écoutez, c'est aussi simple que ça. C'est le troisième euh, des élections de 2011, mhm. n'est-ce pas C'est ça, hein, c'est 2011. Mhm. Et puis, il était le challenger du président Youssoufou en 2016, mhm. n'est-ce pas Quand il a battu campagne en prison. Et donc, euh, ce monsieur, c'est celui qui a donné le pouvoir euh, au régime qui vient d'être renversé, n'est-ce pas Et malheureusement, tant qu'il était dans le système, tant qu'il était dans la mouvance présidentielle, il n'avait pas de problème. Ces problèmes ont commencé le jour euh, où il a quitté, où son parti a quitté la mouvance, présidentielle. Et donc, à mon avis, euh, tous les problèmes qu'il avait, n'est-ce pas, euh, c'était des problèmes en réalité d'ordre politique, n'est-ce pas, qui on a voulu. D'abord, il y a eu cette histoire d'enfants importé, puis il a, épongé, une peine, puis on est revenu à cette question des troubles euh, post-électoraux. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui qu'il reviennent, euh, j'ai vu certains journaux qui ont même titré si c'est la bonne cette fois-ci. Mhm, mhm, mhm. Et donc, c'est peut-être le cas, en tout cas, euh, sous après, il était le deuxième parti le plus, il avait le parti de, le deuxième parti le plus important après le MNSD. Mm-hmm. il est venu au pouvoir. Et donc, à tort ou à raison, ses partisans pensent aussi que c'est le bon moment mm-hmm. pour lui, puisque, oui, en 2016, c'était Ousmane qui était deuxième, mais parce qu'il avait vraiment le soutien des... Euh, mhm. En 2020, je veux dire, parce mhm. qu'il avait le soutien des militants du moderne mhm. Modern FA euh, Lumana. Donc c'est aussi ça, et c'est un homme politique. Tant qu'il est en vie, tant qu'il respire euh, légitimement, il aspire aussi à diriger le pays. Je trouve que c'est des choses très normales et qu'on va très bientôt aller à des élections ou où lui-même et toute autre personne qui veut être candidat, n'est-ce pas, peut postuler et le meilleur que le meilleur gagne. Justement, vous, Memouna, selon vous, quel rôle Hamamadou peut jouer aujourd'hui dans la vie sociopolitique du Niger euh, Il peut déjà euh, jouer un rôle de médiateur, pourquoi mhm. pas, parce mhm. que c'est un homme ressourcé, mhm. c'est un homme qui connaît complètement donc euh, le fonctionnement des institutions internationales. Mhm. Euh, il pourrait être aujourd'hui euh, amené à changer quelque chose au niveau donc de ces décisions de la CDAO, mhm. on l'espère, parce que qu'on le dise ou non, quand même, il a une expertise dans ce genre de négociation. Il a une expertise parce que c'est un homme. Quel genre d'expertise déjà il a Son expertise, c'est quoi C'est que il a cette chance de, de, de pouvoir résoudre certains problèmes. Mm. Des problèmes euh, d'ordre euh, des problèmes euh, liés à la nation, mhm. il a ce flair. Il a en fait le flair de, dénigrer et de voir des problèmes où les problèmes se situent et également de les résoudre. Mhm, mhm. Donc, moi, je me dis que son arrivée aussi pourrait changer quelques aspects euh, pourrait reconforter également l'agent au pouvoir. Mhm, mhm. Comme je l'ai dit, c'est un homme qu'il faut compter avec lui, mhm. qu'on le dise ou non. C'est pas aujourd'hui, c'est pas euh, affaire de de, de, de de, parti politique ou non, mais c'est la patrie. Et quand la patrie est en danger, tout le monde devrait être, en tout cas, être soudé derrière le Niger. Et c'est vrai, il a <laughs> il a fait plus de combien d'années en exil, et c'était vraiment inhumain de la part de ceux qui l'ont envoyé en exil. Mm. Il est là, affaibli, c'est vrai, mais euh, je pense qu'il n'est pas affaibli euh, à l'intérieur de sa <laughs> tête. Il peut réfléchir à tout. Mm-hmm. Il peut être l'homme de la solution parce qu'il connaît le Niger de fond en comble. Il l'a déjà dit sur les questions sécuritaires aussi. Il peut apporter quelque chose mm-hmm, mm-hmm. Euh, dans, dans, cette situation sécuritaire. Et déjà, dans son intervention, avant qu'il ne vienne ici, il avait déjà condamner les décisions de la CDAO mhm. par rapport au, Niger. Donc, il faut, c'est un homme politique qu'il faut compter avec lui et il va se, se, mettre aussi à, à recoller et à ramener la cohésion sociale autour de son parti politique. Mhm, Parce que ça aussi, son parti politique en a besoin. Et il va travailler là-dessus. Ousseini Issa, pensez-vous comme Memouna que Hamamadou puisse être aujourd'hui l'homme de la solution Pensez-vous qu'il va revenir euh, sur la scène politique Moi, je ne me fais pas d'illusion, hein. Je ne me mhm. fais pas d'illusion. Il y a des grands hommes politiques dont certains ne sont plus hein, euh, sur terre aujourd'hui qui des les accueillir dans son paradis, mhm. comme les Sao Marankan, mhm, qui ont dit parmi tous les acteurs politiques, depuis la conférence, hein, il n'y a pas quelqu'un comme Hamma. Mm-hmm. en termes de stratégie mm-hmm. politique, mm-hmm. en termes de visionnaire politique, n'est-ce pas Et il a donné ses preuves. il a fait, il a fait, il a fait ses preuves. Quand il est arrivé, il y avait le problème des salaires accumulés pendant combien d'années. Il a inventé cette histoire de bon de trésor. Il a trouvé le mécanisme pour pouvoir permettre à certains qui l'insultent aujourd'hui d'avoir des maisons à travers les, les, arriérés ah, contre parcelles. Il a mis en place un certain nombre de mécanismes il a ce il a fait cette vision, il a eu cette vision-là. C'était des idées géniales. Et aujourd'hui, il y en a aujourd'hui, sans ça, il n'allait jamais se retrouver avec des maisons. Avant qu'il n'arrive au pouvoir, hein, ces gens ont pu avoir des parcelles pour pouvoir construire des mmh, maisons. Mmh. Ça, c'est déjà un exemple. Mmh. Et le problème de Hamas, le plus souvent, c'est que je le dis aux gens, c'est que c'est quelqu'un qui est franc. C'est-à-dire que quand il y a des dérives, il les signale. Mhm, mhm. Il, cherche à mettre le rôle là. Mhm. Il a commencé à avoir des problèmes à l'Assemblée nationale quand il a commencé à dire faites attention. Parce qu'il y a vraiment il y a, il y a des choses que vous êtes en train de faire. Qui ne sont pas voilà. Il y a des dérives qui sont en train d'être posées. Et de l'autre côté, les gens ont considéré que non, non, non, c'est un trouble fait. Pourquoi pendant qu'il est dans le système, il va dénoncer Lui, il a estimé que il est de son devoir. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu les choses, l'histoire lui donne raison. Par exemple, le pré-exim banque, le pré mhm, mhm. où on est venu mentir aux citoyens que c'était, c'était. Alors, quand lui il est venu, on a vu tout ce que ça a produit comme, comme bruit, comme insulte et tout et tout. Mm-hmm, mm-hmm. En fin de compte, l'histoire lui a donné raison. Il y a <laughs> le Le, Alors, tout ça là fait que moi je dit, on a besoin d'un politique vraiment sincère, mm. pas de démagogues. Nos pays là n'ont pas besoin de démagogues. Mm-hmm. Nos pays, quand ce, ce qui est possible d'être fait, ce qu'on peut faire, qu'on puisse le faire, ce qu'on ne peut pas faire, qu'on dise non. On va le planifié dans le temps pour pouvoir le réaliser. Il est déjà d'homme qui dit, qui, qui n'a pas, qui n'a pas, qui, qui, qui n'essaie pas de plaire. Mhm. Il dit ce qui n'est pas possible de mhm. faire, ce mhm. n'est c'est pas possible qu'on puisse le. Et c'est ça qui dérange. Et on a vu aujourd'hui le gouffre dans lequel, parce que il fallait, quand il y a eu, comment dire, la flambée de la masse salariale, il a commencé à crier à l'Assemblée. Et ça a été un problème pour lui. Pourquoi il va dire que la façon de recruter, on s'est trouvé finalement aujourd'hui avec des, institutions qui ont plus de 3000, députés, 3000 conseillers, 2500 conseillers. Ce sont là donc vos, appréciations au appréciations, Hussein Issa. Et nous allons observer une petite pause avant de poursuivre. Dernier sujet du forum de la presse à deux ce vendredi 22 septembre 2023. L'Union africaine a officiellement intégré le G20 lors du dernier sommet de ce groupe des 20 puissances mondiales tenu ce mois en Inde. Cette intégration des pays africains au G20 a un double avantage pour l'Afrique, estime l'économiste nigérien Adamou Louché. Il est joué au téléphone par L'intégration de l'Union africaine qui représente 55 pays au G20 est plutôt une bonne nouvelle pour le continent à double titre. D'abord, sur le plan diplomatique, a fait des décennies que l'Afrique réclame une meilleure représentation dans les institutions internationales, puisqu'elle n'était jusque-là représentée au G20 que par un seul État, à savoir l'Afrique du Sud. Et au vu de l'importance qu'elle rêvait de nos jours, il était impensable que sa voix compte moins en matière de gouvernance mondiale et cette intégration devrait lui permettre de jouer un rôle significatif dans les organismes internationaux dans les années à venir. Ensuite, sur la question des enjeux économiques notamment. Au-delà de son poids démographique et financier, l'Afrique représente un enjeu géopolitique majeur dans le contexte mondial actuel. Et cette intégration doit euh, permettre au continent d'être mieux représenté, mais surtout de peser sur l'évolution du système financier mondial, dont il réclame des réformes urgentes, notamment de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui obligent encore les pays africains à payer plus que les autres pour emprunter de l'argent en aggravant ainsi leur dette. Vous venez là donc euh, d'écouter Amadou Louché, euh, économiste nigérien sur euh, l'intégration de l'Union africaine au G20, une décision vraiment interprétée comme un signal fort pour le continent africain. Alors selon vous, Arimi, quels sont les avantages vraiment pour l'Afrique avec cette intégration Écoutez, je ne saurais dire plus que le spécialiste qui vient de mhm, parler. Mhm, mhm, c'est vraiment d'être même au forum, où je dirais, je ne sais pas, à la rencontre des, grandes, euh, des institutions. Euh, parce que, sincèrement, personnellement, j'ai le sentiment comme un, quelque chose comme le Niger dans le Zelekaf, par exemple. Mm, mm, mm. Qu'est-ce qu'on met dans la balance Parce que ça, on a dit, c'est bien, bien le G20, vraiment les groupe des 20 économies les plus émergentes, bon, puissantes, en fait, il faut, il faut mm. appeler euh, comme ça les choses, mm-hmm. euh, du monde. Bon, l'Union africaine, ce n'est pas un pays, c'est 55 pays, n'est-ce pas mm-hmm. euh, C'est quoi Est-ce que même si c'est une voix qu'on a, on a une seule voix pour 55 pays, donc on ne représente que un seul, une seule voix parmi les 20 qui sont mm. déjà là. Mm. Euh, je ne sais pas, est-ce que plutôt on ne va pas leur faciliter la tâche mm. parce que c'est une institution qui s'occupe surtout euh, de la stabilité économique, de la stabilité. Mais même si on leur facilite la tâche, selon vous, est-ce que ça ne sera pas pour le bénéfice du continent Non, bien sûr que c'est pour les plus puissants. c'est ceux qui ont le plus d'argent qui peuvent prêter à moindre coût, qui peuvent euh, euh, placer à moindre coût, ainsi de suite. Mhm. Et donc, moi, vraiment, ça, là, je, je Vous ne pas je ne, non, je ne suis pas, je suis très Par contre, je sais une chose, <laughs> vaut mieux faire qu'on fasse avec toi que sans toi. Mhm. en cela, mhm. c'est important, mhm. n'est-ce pas D'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, on est en train de parler, par exemple, de, de G20. Ça n'a jamais été notre préoccupation. Et ça, c'est parce que l'Union africaine ah, s'est invitée au moins. voilà. Et donc, à part ça, c'est vraiment très symbolique, à mon sens, que ce n'est pas l'une des préoccupations du continent africain. les BRICS, n'est-ce pas, au vu de ce qu'ils dépendent. Et là aussi, on voit, il y a des pays qui veulent même aller, qui, qui n'ont pas encore été mhm. admis. Donc, ce n'est pas des préoccupations. Il faut qu'on imagine mhm. des choses qui vont réellement nous servir et dont l'objectif corresponde à nos aspirations en tant que peuple vraiment des pays les plus pauvres du monde. Moi, je ne comprends pas trop. <laughs> êtes-vous aussi sceptique ah, comme Arimi quant à cette... Pourquoi alors Je dénonce ça. Non, c'est une façon de dire venez. L'Afrique, c'est un continent. Venez. D'abord, ils nous exploitent, nos ressources naturelles. Qui nous exploite qui Mais les Occidentaux, les G20 là, les, puissants, les, plus puissants là, c'est mm. pas, ils viennent avec leurs sociétés, les multinationales mm. qui viennent, mm. ils nous donnent ce qu'ils ont envie de nous donner. Maintenant, c'est carrément tout le continent qu'ils ont dans leur giron. Mais ça ne va pas, Alors, ça, ça, va ça Quel développement de quelle économie Ils sont là pour leurs intérêts, il faut que les gens comprennent ça. On est 50 et quelques pays, on peut se mettre ensemble pour réfléchir, mettre en place des mécanismes de développement du continent, mm-hmm. pour arriver arriver à un niveau où on peut aller, mais on parle de 50 États, plus de 50 États. Pour aller, les G20 là, il y a des pays, c'est des pays, mhm. n'est-ce pas mhm. C'est pas des grands groupes, c'est des pays qui sont là. Mhm. Alors, pourquoi nous, tout un continent, on dit, bon, un continent, d'accord, on est d'accord, venez vous asseoir, on est d'accord que vous veniez. C'est pour vous mettre encore, mettre en place des mécanismes qui vont faire en sorte que, si par exemple, moi, en tant que pays, Aujourd'hui, on est en train de voir ce qu'on vit là. Mhm, mhm. Ce qu'on vit depuis le coup d'État, c'est lié au fait qu'on est lié mhm. à, une organisation sous-régionale qui n'est même pas préoccupée par rapport à la situation des populations quand ils sont en difficulté. Est-ce que la CDAO, là, s'est posée la question Parce que tout simplement, la France a manipulé pour dire, voilà, alors, alors, lieu-moi tout ça, que c'est un peuple un peuple. Alors, donc, aucun avantage pour le continent africain quel... Non, c'est une façon de créer les conditions pour qu'on ne puisse pas, parce qu'il y a de plus en plus beaucoup de pays, de puissances, d'autres puissances qui ne sont pas forcément des puissances occidentales, mm. qui s'intéressent aux richesses aux, richesses du sous-sol du mm. continent, mm. n'est-ce pas mm. Comme la Chine, comme un peu, il faut créer, un cadre formel, où, on peut décider, où on peut décider à la place des pays africains. De, manière générale, on peut décider à la place de l'Afrique. Voilà comment vous devez tenir les relations avec tel ou tel pays. Voilà un peu l'enjeu. Moi, je dis, je ne me fais pas d'illusions. C'est comme quand j'entends sommeil France, sommeil Inde-Afrique, sommeil euh, Brésil-Afrique. Alors, Comment tout un continent va aller s'asseoir face à un pays mm, mm, mm. pour décider de... Non, moi j'ai dit, on peut réfléchir à notre niveau, le continent africain. On n'est pas aussi idiot, on n'est pas aussi attardé intellectuellement pour, penser le développement du continent. C'est un continent qui est très grand, c'est un continent qui est vaste, c'est un continent qui est riche, c'est un continent qui dispose de potentialités, de potentiel qui peut permettre à faire en sorte qu'on devienne même Oh, oh, plus important que en tout cas ces pays comme l'Europe, comme, comme, comme machin, qui sont des pays décadents des pays où mais ils n'ont plus absolument rien du tout. Mais, parce qu'on dit, venez, vous êtes, vous, on vous intègre dans, dans une connerie comme ça, G20. Mais, mais vos deux prédécesseurs sont sceptiques quant à cette euh, décision de l'Union africaine d'intégrer le G20, euh, bien que ça soit une, euh, un regroupement vraiment de, grandes économies émergentes qui peuvent être peut-être un modèle pour certains pays africains. ça, je rejoins aussi les deux autres. Hein. Parce que moi, je ne vois pas l'utilité. Je ne vois pas l'utilité à ce que euh, l'Union africaine euh, se retrouve de l'autre côté avec mhm. un G20. Mhm. Un G20, c'est comme si quand tu prends une femme, tu l'amènes, tu veux l'épouser. Maintenant, les autres, <laughs> chacun, chacun de ces, deux, de, de ces 20 vont pouvoir négocier la dot et mhm. donner le plus fort reprend. Mhm. Ça veut dire quoi Ça veut dire c'est tout simplement c'est pour diviser encore l'Afrique. Hein. Mhm. C'est pour affaiblir l'Afrique. C'est pour exploiter encore davantage l'Afrique. Parce que ils se disent à chaque fois, les G20 se disent que l'Afrique n'est pas arrivée à un point où l'Afrique peut décider mhm, mhm, de son mhm, sort. L'Afrique peut décider de son développement. Donc, il Mais est-ce que vous qu'aujourd'hui l'Afrique est prête même pour... Euh, Mais l'Afrique, depuis, <laughs> depuis fort longtemps, l'Afrique est prête pour décider. C'est parce que tout simplement, l'Afrique n'a pas assez de dirigeants conséquents qui peuvent décider, oui, oui, et faire face à certaines situations. C'est tout. Tendre la main, on n'en a plus besoin pour mhm. tendre la main. Mhm. Normalement, si nous avons des dirigeants qui, qui, se soucient de leur population et qui se soucient de la bonne marche de l'Afrique, mhm. je suis sûr que les G20 là, c'est en Afrique qu'ils vont venir c'est eux-mêmes qui vont venir négocier en Afrique. L'Afrique n'aura pas besoin d'aller s'asseoir sur la table avec un G20 pour pouvoir négocier. Mhm. Qu'est-ce que vous allez négocier mhm, Même mhm. si on vous donne, c'est pour piller ce, qui reste encore dans le sous-sol de l'Afrique. Moi, je me dis, c'est ça. Est-ce que la pauvreté, depuis tout ce temps-là, même si l'Union africaine ne fait pas partie du G20, <clears throat> est-ce qu'on a fini de dire que l'Afrique est pauvre Est-ce qu'on a fini de piller l'Afrique Est-ce qu'on s'est dit que aujourd'hui, voilà l'aide Aujourd'hui, l'Afrique est confrontée au terrorisme. Est-ce que c'est fini Est-ce que les G20, parmi les G20 là, les gens se sont mis en, euh, ont mis leur force pour pouvoir venir secourir l'Afrique, mhm, mhm. malgré tout ce qu'ils ont comme euh, armada. Mais concrètement, aujourd'hui, pour euh, peut-être la population va se demander aujourd'hui, l'Union africaine a intégré euh, le G20. Quel rôle l'Union africaine va jouer quel, quel, rôle les pays africains vont jouer Quel rôle ils vont jouer Ils aucun rôle à jouer. Aucun. Quel rôle rien Ça, donne par contre aux autres l'avantage de dire que tout le monde fait partie, tout le monde est impliqué. Il y a une façon de faire simple hein, dont on se sert pour tromper particulièrement les Africains. Mm-hmm. Un truc qui est terre à terre, c'est vraiment cette histoire, par exemple, des Jeux olympiques. Mm-hmm. On voit aux Jeux olympiques, n'est-ce pas, chaque pays on compte le nombre de médailles remportées par chaque pays. <laughs> Quand on vient au pays africain, on dit l'Afrique. Ah, ah, ah, L'Afrique n'est pas allée en tant qu'un seul <laughs> continent. Ah non, c'est plus c'est 50, euh, combien de pays, tout le monde est allé se faire représenter. Il faut mm-hmm. parler. Mm-hmm. Et à ce moment, on va voir si on a. Donc c'est de la poudre aux yeux. Ces mm-hmm. affaires-là, on fait semblant de faire avec nous. Il faut. vous vouliez apparemment. Ce que je suis en train de dire, ce que je veux dire, l'Afrique c'est une puissance. Hein. L'Afrique aujourd'hui, la première puissance. C'est malheureusement l'absence de dirigeants visionnaires et tout. Il y en a eu, il y en a eu par le passé, comme les Kwame Nkrumah, qui avaient déjà pensé à cette fédération, les États-Unis d'Afrique. La Kadhafi, on l'a tué dans des circonstances, on sait Kadhafi, pourquoi il a été ah. tué. Mhm. Aujourd'hui, notre monnaie est contrôlée par la France. Mhm. Ça vaut quoi cette monnaie-là mhm. Quand les gens veulent changer même, on, fait, on fait, on fait des, blocages, on met des... alors que ah, aujourd'hui, on ne contrôle absolument rien du tout. Alors on va dans le G20 pour chercher quoi On va chercher dans le G20 pour que des gens décident encore avec qui tu... Alors, ah mais c'est ça, euh, les gens sont contents. G20. 20 C'est quoi G20 <laughs> C'est quoi G20 est-ce que des pays comme l'Inde, des pays comme la Chine, la Chine dans les années 80 était au même niveau que mm, beaucoup de mm, mm, pays africains. Alors, ils se sont développés rapidement. C'est comme un peu l'Inde. C'est la même chose. Apparemment, vous êtes tous sceptiques quant à cette euh, intégration de l'Union africaine au G20. on veut lever la tête, sortir la tête de l'eau et se mettre debout. Mm-hmm. Pour compétir au même pied d'égalité, où on va continuer à, s'arrimer à des gens qui sont déjà développés, qui ne nous aiment pas, ils aiment juste nos ressources naturelles parce qu'ils n'en ont plus. Merci Ousseini, merci. nous sommes donc à la fin de ce numéro du Forum de la presse de ce vendredi 22 septembre 2023. Merci, chers invités, d'être venus. Memoune journaliste indépendante, Arimi Abba, journaliste à la radio alternative, et Hussein Issa, journaliste indépendant. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le programme Jeunes les samedis et dimanches avec l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA et les dimanches et les samedis et dimanches les forums à langue et Zerma. Je suis Nafis Adam Sirfa la modération. La technique a été assurée par Amina Hassan, la régie vidéo c'est Nisaka. Très bon week-end à tous. Au revoir. <laughs>